Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa barakaatu Muhammad Nyang, tudd Mouhamad eh, Niang yàlla nattoo ma ma jiite daara Ahmed Sakhir Lo fii ci boum. incha allah xanaa ñu jubanti tuté rek ñuy inauguré lenn ci li dara ji dalo tay. Waye dara ji mom comme niñ leen ko waxé depuis 1995 mu ngi ci liggéey Euh waye li nga xamni mom lañ doon ubbi légui kilifa yi diko ubbi. E, ci njiital Serigne Fallou Lo nekk ci sama côté càmmoñ Serigne Mokhtar Naar Lo hafizahullah yebal ko e, benn liggéey la boo xam ni comme niñ ko waxee sàng daara ji daf ko commencé woon ngir gën a yaatal lu jëm ci wàllu waañ wi waaye tam lu jëm ci wàllu way xarale yu bees yi waaye tam am ñaari wàllu yu ci dolleekuwaat mooy mu samp tey benn bibliothèque boo xam ni pour jullit ñi yëpp lañu euh, la euh, mu war a composé woo incha allah ci euh, douze mille téere ci téerey diine yi yu islam ak langue arabe langue français ak langue anglais ak benn salle conférence boo xam ni bu mag la. ñu duppee sëñ Abdoul Aziz Sy Dabakh Bibliothèque bi itam ñu duppee suñu kilifa googu di si Ahmad Sakhir Lo rahimahullah eh, salle informatique bi ñu duppee ko Abdoul Aziz Xumma eh, waañ wi ñu duppee ko Maam Jaara Buso rahimahullah eh, waaw xam naa day dana jafe waaye fi ne ñi doon seq liggéey bi ñu ngi doon tënk ni lu mu néew néew million cent cinq millions six Euh, mooy li nga xam ni moo fa dem ci liggéey bi yëpp ak équipement ya fa ya fa nekk euh, loolu nag mu nga jóge fa yàlla ndax léegi ni ma ko waxee suñu kilifa si Ahmad Sakhir Lo daf ñoo yar ci ñu sukkandiku ci suñu effort yi bopp suñu góorgóor yi bopp te loola la ca jiitu mooy wóolu yàlla xam ni lépp loo xam ni yàlla moo ko moom moom mën na koo taxawul boppam moo tax lépp lu nuy simb itam lanu am rek lañ cey def lépp lu yàlla yebal ab jaamu jullitam mu andi ko ñu daal di ko cey defal ca loola yàlla dogal na nag ñi fi yàlla jotagu na yebal ñëpp ba liggéey bi pare ay doomi réew mi lañu ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax ba waaw bu am solo incha allah bu ñu yàlla mayee niñ ko bëggee ñu amee ko noonu dana gën a jëmmal njàng mi ci biir daara ji surtout ndax salle informatique boobu daara ji rek moo ko jagoogun du ñëpp a ko seqagun waaye dinañu mën may xale yi ñu gën a tàggatu ci way xarala yu bees yi. waaye dinañu mën a mayitam xale yi ñuy jàng li ñuy wax euh, en direct en bond jàng ci distance ndax du ñëpp ñoo mën a dem tukki waaye dinañu mën a mayitam li nga xam ni daara ji am na ko ci wàllu xam-xam mu man koo partagé woo ak ñi nekk ci réew mi ta soxla ko donte ñu nga toog ci seeni kër. na rek na rek laaj. waaw wax nañ ko léegi kilifa gi wax na ko lu mu néew néew moom euh, cent élèves ñu ngi fii ci ay góor ak ay jigéen euh, encadrement bi ñu ngi toll fi mu ne ci 157 personnes ñoo xam ni ñoom ñu ngi fi dar xale yi ci wàllu yëpp. Euh, euh, je m'appelle Murtada Diop euh, compagnon du directeur employé dans ce Dara Alhamdulillah, comme vous le voyez, nous venons de d'inaugurer un des joyau du Dara. Euh, un immeuble R plus 3 euh, dont la construction a débuté fin 2015. Euh, cette inauguration nous a permis de réunir toutes les familles religieuses puisque le bâtiment en tant que tel comprend euh, le rez-de-chaussée qui euh, le rez de où se trouve la cuisine qui regroupe euh, près de 27 gaz, donc 27 cuisinières et qui porte le nom de euh, Mam Bousso. Au, premier niveau se trouve euh, la salle ou le centre d'informatique qui porte le nom d'un ancien élève, d'un ancien pensionnaire du Dara, Abdul Aziz Khoum. Euh, ce centre ou cette salle regroupe en son sein euh, la salle informatique et l'atelier euh, de maintenance et les bureaux bien sûr. Au deuxième niveau, il y a la grande bibliothèque qui peut contenir en moins 12 000 ouvrages et qui porte le nom ô combien précieux de Cheikh Ahmad Sahir Lo. Euh, au troisième niveau, il y a la grande salle de conférence qui porte le nom de celui qui fut un unificateur euh, Cheikh Abdelaziz Si Dabar Donc, l'inauguration de, ce, de cet immeuble, en fait, marque une étape dans l'évolution du Dara, Ahmad Sahir Lou. Euh, voilà. Oui, vous présentez. Voilà, c'est une euh, de inspecteur d'académie de, de Pékin Gadjaway. Donc, euh, en tant que gestionnaire de l'éducation au niveau des départements de Pikine et de Guédiawaye, et au nom du ministre de l'Éducation nationale, je suis venu participer à l'inauguration de ce complexe construit, au niveau donc de l'Institut Ahmed Sahirullo, qui est aujourd'hui un dara modèle qui mérite toute l'attention euh, qu'il mérite. En vérité, il y a quelques jours de cela, il y a quelques mois exactement, le ministre de l'Éducation nationale était passé pour faire une visite de courtoisie. Aujourd'hui, on vient procéder à l'inauguration d'un complexe constitué, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'un laboratoire, euh, d'une cuisine, ensuite euh, d'une bibliothèque extrêmement moderne qui fera certainement partie des bibliothèques les mieux loties du pays Ensuite et enfin, vraiment une très grande salle de conférence d'une modernité qui dépasse l'entendement. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention, j'ai visité beaucoup de sites, beaucoup de structures, mais ce que j'ai vu ici, je ne l'ai vu nulle part. C'est donc l'occasion pour nous, encore une fois, de remercier le directeur de l'Institut pour son engagement, sa détermination et sa volonté de faire du un lieu d'éducation et de formation qui n'a rien à envier aux autres structures les plus modernes du monde. Donc vraiment, je voudrais encore une fois, au nom de l'ensemble des autorités en charge de l'éducation, remercier M. le Directeur pour euh, ce geste haut combien noble qu'il a eu à faire en direction de nos éducatif sénégalais. Aujourd'hui, quand même, euh, les intervenants l'ont dit. Ceux qui fréquentent ce dara-là n'ont rien à envier aux autres élèves qui fréquentent les autres établissements.